da ma vie, puisque dans dá sang, dans mon, dans mon cœur, j'ai souffert. Vous comprenez J'ai dit au bon Dieu, li ma lay ñaan yow subhanahu wa taala bu ma génnee fii ci kaso fépp ñu dégg sama tur man moo di si bokk naa ci affaire Babacar Seye na nga def eu xoolu nit yëpp que Modissi est né le 11 décembre 1945 à Sintian Garba, dans le département de Canel. Il a fait ses études primaires à l'école élémentaire de Matam, où il obtint le certificat d'études primaires élémentaires. À l'âge de 4 ans, j'ai rejoint mon père à Matam, qui était un commerçant euh, à Matam. Et tout de suite, je suis rentré à l'école euh, primaire de Matam appelé Matam à l'époque. C'était avant les indépendances, avant l'indépendance du Sénégal. Et j'ai fait l'école primaire 1, 6 euh, ans, où j'ai obtenu le certificat d'études primaires et aussi où j'ai obtenu mon entrée en sixième.

Saint-Louis, la ville insulaire, va accueillir Modici pour ses études secondaires au collège technique jusqu'au BOPC avant qu'il ne rejoigne le lycée technique André Pétavin dans la même ville où il décrocha le bac technique. Le bac technique en poche, direction la France, pour des études supérieures au niveau du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Sur le plan professionnel, Modici a fourbi ses armes à la Régie nationale des usines Renault en qualité d'ingénieur électromécanicien. De 1967 à 1969, c'est le département moteur de l'usine Renault Boulogne-Billancourt qui l'emploie. Ce fut ensuite aux avions Marcel Dassault, bureau d'études, d'accueillir dans un atelier de montage Modici, dans le cadre de la conception du Mirage 4 à géométrie variable et de la mise au point d'un centre d'essai en vol de 1970 à 1973. De 1974 à 1989, Modici officie à Rhône Poulenc System en qualité d'ingénieur système responsable bureautique et entretien matériel diazocopie et photocopie. Il devint vacataire à Thomson CSF à partir de 1991. Sur le plan politique, c'est à Paris que Modici fit la connaissance de maître Abdoulaye Wade. Secrétaire général de l'Organisation des travailleurs et étudiants sénégalais en France de 1976 à 1993, cette organisation syndicale a été créée en France en vue de mener des activités politiques. Tour à tour, Modici est secrétaire général de la Fédération du PDS du département de Matam de 1978 à 1999. Secrétaire général de la Fédération du PDS de la région de Matam de 2002 à 2006. Président de la Convention régionale du PDS de Saint-Louis de 1992 à 1995. Ici, la mythique et légendaire place Fédère symbole de la colonisation mais aussi d'épique et âpres bataille politique pour l'avènement de la démocratie et de la liberté au Sénégal. Saint-Louis, c'est aussi la ville natale de maître Baba Sey, dont l'assassinat a débouché sur l'épisode le plus douloureux et le plus bouleversant de la vie de Modici, lui occasionnant torture, brimades et humiliations. Ainsi donc, le 15 mai 1993, un événement tragique survient. L'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel, Maître Babacar Sey, alors que le pays venait de vivre des élections difficiles avec des résultats tardant à être proclamés. Le 15 mai 1993, on est un samedi, Jean-Emile qui m'appelle, euh, qui me dit, ben, écoute, je viens de recevoir euh, un coup de fil de gens que j'ai pris soin d'enregistrer. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont dit Je dit, bon, ben écoute, je te fais écouter. Effectivement, j'écoute la bande où on dit, voilà, euh, c'est l'armée du peuple, nous venons de tirer sur le véhicule euh, de monsieur le vice-président du Conseil constitutionnel. J'arrive à l'hôpital principal, tout à fait par hasard, vers la présidence de la République, j'arrive à l'hôpital principal, je viens, je vois du monde. Je dis, ah tiens, ça, c'est intéressant. Je vois beaucoup de gens qui entrent qui sortent. Je dis, waouh, après à un moment donné je prête l'oreille a quelqu'un qui dit ah lui, woote vous pour poste député rek jar je dis ah tiens ça c'est intéressant il y a, un mort d'homme quelque part et puis j'arrive bon j'entre euh, je prends le truc de, l'hôpital principal puis je, vais du côté de la morgue effectivement je voyais qu'il y avait un mouvement de foule euh, les gens allaient vers là il y avait un peu d'agitation j'arrive euh, on me dit oui bon c'est maître C qui a été tué donc voilà ah je dis ah alors tout de suite évidemment je dis où est le véhicule Et puis, à un moment donné, il y a un autre gendarme, que je pense qu'il doit être un supérieur peut-être, qui est venu, en tout cas, il était en tenue bleue. Il dit à l'autre, c'est ça le véhicule criblé de balles Il dit, où est la roue de secours Où est la, rue, la roue criblée de balles L'autre, le gendarme dit, je ne sais pas, j'ai rien vu. c'est normal, il n'a rien vu, il n'a pas ouvert. L'autre quand même prend soin, il dit, bon, ouvre-moi le coffre. On ouvre euh, la malle plutôt. On a ouvert la malle, et puis bon, on voit évidemment que là-dedans, il y avait euh, donc une roue. Alors le gars il sort la roue et puis il l'ausculte, il regarde, il regarde. J'ai suivi encore ses mouvements, je les garde. J'ai dit, il dit, c'est ça, la, ça la, roue, la roue criblée de balles là, c'est ça là L'autre qui dit, en tout cas, monsieur, je ne sais pas. Il dit bon, attendez. Et gars il cherche un trou, après il y a effectivement une entaille quelque part. Je lui prête mon bic parce qu'il il voulait essayer, je lui ai donné mon bic. Il a glissé ça là-dedans. Après il a secoué la roue, il, il écoute, écoute, il n'y a rien c'est ça la roue qui a été criblée de balles. dit oui, je sais pas. Il fait un truc comme ça, une moue comme ça, et puis bon, il dit bon, rangé. Alors à partir de ce moment, j'ai regardé le véhicule euh, et tout, tout, tout, les brisures euh, de vitres et tout. Bon, je me suis dit, euh, j'ai également vu la tache de sang qu'il y avait devant. C'était un 15 mai, vers 15h30. Il y a un jeune collègue de l'époque, Oumar qui m'a appelé au téléphone, qui était à la rédaction de Radio Sénégal qui m'appelle et me dit euh, Vous êtes au courant de ce qui vient de se passer Je dis quoi Il m'a dit On vient de tirer sur Maître Babacar Je dis il est, où, il est où Il est mort Il m'a dit non. Et on est en train de l'évacuer à, à l'hôpital principal. C'est la première fois qu'un juge était assassiné dans ce pays. Et également, on était dans un contexte politique très très tendu entre l'opposition et le pouvoir pour ne pas dire entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Donc c'est une affaire qui était inédite, qui était relativement intéressante, qui était même très intéressante pour les Sénégalais. Euh, les faits qui sont sortis qui le mêlent à cette affaire, ce sont les accusations qui ont été portées contre lui par les principaux, par les principales personnes qui avaient été arrêtées au départ. Parce que si je me rappelle bien, bon ça date de 1994, c'est un peu loin, euh, 93 même, euh, il avait été mouillé par euh, les principales personnes qui avaient été, disons, citées comme les, les, opérateurs comme ayant guidé, ayant été mêlé au coup et à la préparation du coup. si je me rappelle bien, Modici était à l'époque un responsable du PDS basé à l'étranger, en France je crois, et qui avait des connexions au sein du PDS, des connexions avec ces jeunes, parce que ces jeunes avaient été impliqués précédemment dans une autre affaire qui datait de 1988. Bon, tout ça avait fait que Modici peut-être faisait un coupable idéal. Et c'est dans le cadre de cette enquête, avec les accusations qui pesaient sur lui, qu'il a été arrêté, qu'il a été emprisonné et qu'il a subi des tortures terribles d'après ses, témoignages. Et je pense qu'il a été une des personnes les plus fatiguées, entre guillemets, euh, dans, cette, affaire. Et c'est comme ça que Modici est apparu dans l'affaire. Donc comme quelqu'un qui a été interpellé, arrêté, emprisonné, torturé pour lui faire avouer la vérité. Une véritable machine à extorquer des aveux est ainsi mise en branle par l'administration de l'époque, avec comme maîtresse d'œuvre la redoutable et redoutée brigade de gendarmerie de Chang. a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation face aux accusations selon lesquelles Modissi, membre du PDS élu au Parlement, aurait été torturé, notamment au moyen de décharges électriques à la gendarmerie de Chong à Dakar, peu après son arrestation le 20 mai 1993. Il est toujours détenu à la prison centrale de Dakar dans le cadre de l'enquête menée sur l'assassinat de maître Babacar Sey. Les requêtes présentées en vue de sa libération sous caution ont été rejetées. Modici a été examiné par un médecin à la gendarmerie et des soins médicaux ont été recommandés sans qu'il n'ait été fait mention de torture. À la demande de ses avocats, un nouvel examen médical a été pratiqué par un médecin militaire le 11 juin 1993. Il semble que ce médecin ait prescrit des soins médicaux et, si l'état de Modici ne s'améliorait pas, une éventuelle hospitalisation. Ce rapport d'Amnesty International attestait que Modici, arrêté dans l'affaire de l'assassinat de maître Baba Sey, jeté en prison, a bel et bien été torturé pendant quatre mois avec des séquelles physiques et morales indélébiles. Confirmation du médecin-chef de la prison centrale à l'époque des faits, aujourd'hui à la retraite et officiant dans le privé il avait suivi des trucs, il y avait des sévices. Les séquelles étaient notoires au niveau de certains partis. Bon, je ne vais pas rentrer dans, <laughs> les détails, peut-être lui, il va, vous en parler, hein. mais je sais qu'il y avait des sévices, des traces de sévices qui étaient nettes, claires et nettes. Et puis pour la petite histoire, d'ailleurs, je peux vous dire que je n'ai pas compris qu'en certains moments, certaines autorités me demandaient parce que quand une autorité devait passer au niveau de l'Assemblée nationale, voulait faire semblant que non, il n'y avait pas de traces de services, Non, il y avait des traces de sévices, claires et nettes. Et puis, à des endroits inimaginables, hein, ça je vous le dis entre nous. Hein. Et puis, euh, là, je tiens à préciser une chose. Il fallait d'abord que je m'occupe de ça, de ces services il faut donc que je m'occupe des conséquences du service sur la personne de M. Si. Et c'est à la suite de ça, en parlant, en discutant avec lui, en le remontant moralement, qu'il a pu comprendre, qu'il a pu résister un certain temps à, ce qui lui est Parce que euh, ce qui lui est arrivé, c'était dramatique. Et quand j'ai vu les services, moi-même, je me suis demandé, j'ai dit, mais comment on peut faire des services comme ça Je ne m'attendais pas à ça. Et j'avoue que j'ai dû faire un rapport à l'époque. Bon, bon, lorsqu'on m'a dit euh, oh, les autorités, l'autorité n'avait pas confiance qu'effectivement il n'y avait pas de service. Bon, mon rapport était clair et net qu'il y avait des services. Hein. C'est des services. Et puis c'était facile en fait. Parce que pourquoi C'est facile à, découvrir. Parce que Moti vous, voyez bien que c'est un homme en teint clair, donc c'est plus facile de, découvrir les services, quelle que soit la durée. Et c'était en fait une période qui n'était pas longue, donc, donc les services étaient là en fait. Et il avait été torturé, sauvagement torturé à la gendarmerie de Tchouk Suspendu à une barre euh, je crois qu'ils ont procédé qui s'appelle, euh, je ne sais pas comment, suspendu à une barre, torturé, électrocuté. Même dans ses parties génitales. Et euh, il en a gardé des blessures extrêmement graves. Et ça a dû laisser des séquelles jusqu'à présent. Mais après cela, lorsqu'on l'a déféré et amené en prison, suis allé le voir. Euh, croyez-moi, il avait encore ses blessures. Et comme je dis, euh, au bas-ventre et partout. Euh, on a voulu lui faire avouer des choses qu'il ne pouvait pas avouer parce qu'il ne les avait pas commises. ce que j'ai essayé de faire pour le soulager, pour continuer, pour qu'il continue de vivre et d'espérer que la justice voie claire dans, cette affaire, j'ai commencé par lui offrir un livre de Coran. Mais ce qui a redonné le plus courage à Mauricie à part cela, c'est que j'ai osé porter une plainte à leur nom contre la gendarmerie de Tchong, contre la brigade de gendarmerie de Tchong. J'avais déposé une plainte pour les coups et blessures et une enquête avait été initiée. Dans l'affaire Babacar ils savent que moi, Mauricie, je n'étais pas mêlé ni de près ni de loin dans cette affaire. Mais ils ont instrumenté, instrumentalisé euh, euh, des, gens pour me mettre dans le dossier, pour se venger de ce que j'avais eu à faire en, 88. Euh, C'est ça la réalité historique. de tous ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire Pavakassé. Seul moi, moi j'ai été torturé. Et un jour, euh, ils m'ont dit, mais on vous connaît bien, vous. Vous êtes un dur en cuir, mais vous allez parler. Croyez-moi que vous allez parler, monsieur. Vous êtes un être humain, vous allez parler. Le lendemain, on m'a amené dans une salle de torture. Mais quand ils m'ont amené dans la salle de torture, mais croyez-moi que c'était pas plaisant du tout. Là, euh, ils avaient amené un paquet de journaux. Donc ces journaux-là, ils m'ont mis ça. Ils m'ont mis autour des avant-bras. Et là aussi, ils ont mis, euh, ils ont mis des journaux, à, ils ont mis des journaux à, l'avant-bras. Ils ont mis des chiffons sur les journaux. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire Après, ils ont mis euh, un morceau ici, de boubou, et ils m'ont pris les bonnets ils m'ont monoté ici, ils m'ont monoté ici. C'est là où je compris que pourquoi ils faisaient ça. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des traces. Parce que lui, comme ça, vous mettez des, des avec le supplice de l'épervier, que je vais vous montrer comment ils ont fait. Mais forcément, les monotes allaient rentrer jusque dans les entrailles de mon avant-bras. Et j'aurais pu, pu, prouver que, que j'étais euh, j'étais torturé. Donc, après avoir mis les monotes, donc, ils m'ont mis, ils ont pris une grosse barre de fer ronde. J'étais assis comme ça, sur une chaise, comme ça. Pas sur une chaise, mais au sol. Comme ça, ils ont fait passer là la barre de fer qui est sortie par là. Donc, euh, j'étais comme dans cette position-là. Il il y a eu deux gendarmes, un de chaque côté, et aussi, ce qu'il faut il y avait une table, deux tables, d'une certaine hauteur. J'ai compris tout ça après. Et là, ils m'ont posé entre les deux tables. Donc j'avais les pieds en l'air et la tête à la renverse. Mais je vous dis, très sincèrement, hein, euh, je ne sais pas ce que c'est la mort. Mais c'est horrible. J'ai souffert, avant même les tortures, parce que par le poids de mon corps, les menottes qui commençaient à me serrer de plus en plus, chaque fois que je bouge, j'ai complètement l'impression que les menottes se serraient encore plus sur, mes bras, sur mes avant-bras. Et c'était horrible. Par la suite, bien sûr, j'étais comme ça. Par la suite, ils ont amené un appareil. C'est qu'on se sert euh, dans les mines, le détonateur et euh, voilà, il y a des fils électriques. Euh, mais euh, au niveau de, la tension, disons que ça faisait à peu près 5000 volts. Finalement, ils ont mis un fil dénudé, un fil électrique dénudé ici, un fil électrique dénudé ici. Et ils me posaient des questions. Pour me dire, voilà, tu sais, voilà, mais on ne comprend pas parce que vous voulez sacrifier votre vie à cause d'Ablaïwad, aujourd'hui qui est avec sa femme à, la maison. Quand il finissait, j'ai dit, écoutez, moi je vous ai dit toute ma vérité, toute la vérité. Ce que je connaissais, ce que je savais dans cette affaire. Maintenant accusé Ablaïwad, si c'est lui qui l'a fait, je ne sais pas. Si ce n'est pas lui, je ne sais pas. Donc je ne peux pas me permettre, parce que euh, je suis indisposé, parce que je souffre, dire des choses euh, pas qui ne sont pas vraies. Alors là, ça, je ne peux pas. Finalement, quand ils ont vu que j'ai récupéré, ils m'ont encore reborote, remis entre les deux, tables. Ils m'ont fait trois fois. La deuxième fois, c'est pareil. Mais la troisième fois, franchement, euh, j'ai comme l'impression qu'ils ont augmenté l'intensité. Ils ont augmenté l'intensité. C'est tellement puissant quand j'ai reçu la décharge. Mais pour moi, euh, moi j'étais mort. Pour moi, j'étais mort. Son corps, il y a eu des, brûlures, des, pas euh, des enflures et tout ça. Alors, euh, c'était malheureux, mais bon. Et puis, il n'entendait plus, je crois, par l'oreille gauche. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les tortures. Bon. Mais c'est un gars quand même, il faut le reconnaître ce qu'il a supporté là, c'est du ceux qui le supporter. Moudissi est un des premiers militants et responsables du, PDS, membre fondateur. Moudissi, euh, c'est lui qui a introduit le PDS dans l'Hexagone, en France. C'est lui qui a introduit le PDS dans les foyers. Lorsque Ouad est devenu président en 2000, celui qui était le plus indiqué pour être consul général du Sénégal à Paris, c'était Moudissi, clairement et qui a perdu dans son patrimoine, qui a, qui a, avant, tout, avant ces événements-là, qui a beaucoup perdu dans son patrimoine, qui a perdu des emplois importants. N'oubliez pas que Moudissi est quand même un ingénieur, je crois, électromécanicien ou quelque chose comme ça. En tout cas, un technicien de haut niveau. Euh, il a perdu son, emploi euh, à cause de, la politique, du fait de se mettre au service du PDS. Euh, il a eu des problèmes de famille, etc. etc. Et donc, euh, il était là au moment des élections. Mais quand, euh, je pense que c'est en 1993 qu'il a été brutalisé, qu'il a été torturé. Euh, d'ailleurs, on l'a torturé en, lui, en exigeant qu'il dise, n'est-ce pas, sous l'effet de cette torture, que moi, Jean-Paul Diaz, j'étais, n'est-ce pas, un des acteurs de l'assassinat de Maître ce qu'il a refusé de faire euh, et je voudrais saluer une fois, de, je ne cesserai jamais de saluer son courage, parce qu'il aurait suffi qu'il le dise, et eh bien pour que moi aussi j'y passe. Donc Modici c'est vrai, après tout ce qu'il a fait, tous les sacrifices de toute nature, euh, lorsque Wade est devenu président, il n'a pas été gratifié. En plus des sévices subis au niveau de la salle de torture de la brigade de gendarmerie de Chong, Modici a continué à être maltraité physiquement et psychologiquement, laissant des meurtrissures ineffaçables. Bon, bien sûr, j'ai subi euh, euh, la torture avec des décharges électriques. Euh, j'ai subi également au cours de l'interrogatoire, on m'a mis une claque. On m'a mis une claque. Aujourd'hui, ce tympan-là, je n'entends rien parce que mon tympan a éclaté. On a éteint des mégots sur moi. Mais Alhamdulillah, tout ce que j'ai subi là, ce n'est pas parce que je suis brave. Barque ce pas parce que je suis brave. C'est Dieu qui m'a aidé. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui m'a aidé. Parce que ce que j'ai vécu comme, comme, comme on appelle, euh, comme, comme, torture, comme violence, un jour, quand ils ont vu que ils ne pouvaient rien puiser de moi, et là, ils m'ont amené un soir, en sortant bien sûr euh, de, la rue de Chonk, ils m'ont mis un bandeau pour que je ne vois pas. Ils m'ont mis dans une, à l'époque, euh, il n'y avait pas les 4x4 de maintenant, ils avaient des, des 4L, les, 4L là, des Renault 4. Et ils m'ont emmené quelque part. Ils ont emprunté différents pour, nous faire perdre, pour que demain peut-être je ne puisse pas dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'il y a eu. Ils ont emprunté en tout cas plusieurs chemins pour finalement aboutir euh, au guide de Yara. J'étais conduit par euh, euh, trois gendarmes. Par la suite, ils m'ont amené ici à la plage. Ils m'ont dit, monsieur, si voyez-vous, euh, ici c'est la plage. Aujourd'hui, vous allez parler. Je lui ai dit que de toute façon, je ne saurais vous dire plus que ce que j'ai déjà dit. ils m'ont dit, d'abord, voilà, on va te mettre, parce qu'ils ne m'avaient pas encore enlevé le foulard qui me couvrait de, les yeux. Alors euh, ils m'ont mis, dans le, dans, ils avaient j'ai vu qu'il y avait un trou sur la plage, sur le sable, et ils m'ont mis dans le trou qui a été creusé, un tombeau en quelque sorte. Ils m'ont mis là-dedans et ils ont commencé à m'enterrer les pieds, des pieds jusqu'au niveau euh, de, de mes épaules. Puisque j'étais un peu dans le fond, ils ont mis un carton plongeant c'est-à-dire euh, pour empêcher euh, certainement de mettre le sable sur ma figure quoi, pour m'étouffer. Donc euh, d'ici jusqu'au jusqu'au pied, dans le trou. Donc ils, ont, ils ont mis du sable. Ils ont commencé à me poser des questions dans l'affaire Babacar Sey. Pour vous, quel est le cerveau Parce qu'on sait que vous êtes très proche de Maître Ablaïwat et vous avez un passé dans ce pays, on vous connaît très bien. Donc, vous dire que ce n'est pas vous, depuis 2, 3, 4 jours à Tchang, vous avez dit que ce n'est pas vous. Mais maintenant, au moins, dites la vérité. Nous, on va vous laisser, on va vous sortir et on ira chercher ceux qui ont commis ce crime-là, cet horrible crime. Bon, j'ai dit que moi, de toute façon, je ne connais rien. Cette partie de mon corps, donc, était à découvert, ce qui fait qu'ils prenaient une pelle de sable, ils me jetaient ça sur la figure pour, pour, me faire peur, quoi. Il me dit, mais vas-y, tu vas parler. Alors, euh, euh, bon, je ne voyais pas parce que j'étais dans un trou, mais j'ai senti des pas donc, euh, euh, certainement, les, autres qui étaient, qui étaient dans la voiture avec moi, ils, se parlaient entre eux, ils disaient, mais grand Bidal, vraiment, <laughs> c'est dommage, il va mourir, quoi. Ils ont pris encore une deuxième pelle de sable qui m'ont jeté sur la figure. Là, ça a failli un peu m'étouffer. J'ai fait... <laughs> Je ne pouvais pas parce que j'avais les mains aussi euh, de l'autre côté du tombeau, donc euh, je ne pouvais pas bouger, mais j'ai bougé ma pole comme ça, parce que ça commençait un peu à m'empêcher de voir. Bon, ils ont parlé, ils ont parlé. il y a a quelqu'un, j'ai vu, certainement c'est un gendarme, je crois, qui, loin, qui venait, qui courait, qui allait vers ceux qui étaient là en train de poser des questions. Il est, eh, il est mort, il est mort, il est mort, est-ce qu'il n'est pas encore mort les, gens, dans le trou, je vous dis, j'ai fait plus de 40 minutes. Hein dans le parce qu'ils ont vu que, bon, certainement, ils ne pouvaient rien avoir comme information. Il y a un gendarme, enfin quelqu'un, je veux dire, qui, venait de l'autre côté, qui courait, qui est venu, qui venait, il dit, mais il n'est pas encore, il n'est pas mort, non, il n'est pas encore mort. Bon, euh, il dit, non, non, il faut attendre. le gendarme dit, non, non, laisse, laisse de toute façon, il va parler, il va parler, parce que ce n'est pas possible. On tue un, innocent comme ça et on laisse ça passer comme ça, ce n'est pas possible. Donc ils se discutaient entre eux. L'un voulait qu'on arrête et, l'autre vous disait non, non, il faut, qu'on continue. Tout ça, c'est dans le sens vraiment de me faire peur et de me faire parler. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar, chargée à l'époque de statuer sur l'assassinat de maître Baba Sey, a prononcé un non-lieu en faveur d'Abdoulaye Wad, de son épouse Viviane Wad, d'Ousmane Gom, d'Abdoulaye Fay, de Samuel Sarr et de Modissi. Le parquet général annonce son pourvoi en cassation après cette décision de non-lieu. Modici et Samuel Sarr sont maintenus en prison. Ce pourvoi suspendait tous les effets de l'arrêt de la chambre d'accusation, avait indiqué dans un communiqué le procureur général près de la cour d'appel. J'ai dit Ablaï, vous venez d'arriver en prison. Moi, ça fait, moi, ça euh, fait, moi, ça fait 14 euh, euh, ans que je suis là. J'ai fait ce que j'avais à faire les tribunaux de mon pays m'ont libéré, ils ont refusé, je fais la grève la fin. La mort, tant pis, je vais mourir, mais comme Dieu sera que moi, j'ai attendu à ce que je sois jugé. Maintenant, moi, ce que je vais faire, laisse moi faire ma grève la fin. J'ai raison de faire cette grève la fin. Vous comprenez J'ai raison de faire cette grève la faim. Après, je leur ai dit que, au bout du compte, j'ai fait la grève la fin, contre Vanzé et contre Ablaï Wad et les autres qui, voulaient que je ne fasse pas la grève de la faim. Mais j'ai fait ma grève de la faim. La grève de la faim. J'avoue que c'est la première fois que j'en parle publiquement, hein, parce que je refusais d'en parler. Et cette grève pouvait avoir d'autres conséquences. Et cette conséquence, il fallait bien, en tant que médecin, que je puisse les faire comprendre Attention, la grève de la faim ne se pas les jeunes, parce que les conséquences seraient dramatiques. Concernant M. Si et cette grève, j'avoue que euh, au niveau de l'administration pénitentiaire, je n'ai pas compris certains. Peut-être, euh, je ne sais pas pourquoi l'autorité à un certain moment pensait que non, ce n'était pas une grève, qu'il faisait semblant de ne pas parce qu'en fait, c'est pas, c'est pas si médiatisé comme maintenant, en fait. Hein. Bon, ils pensaient que non, c'était pas, non, c'était pas serré, il faisait pas la grève de l'affaire. Et à, ce sujet, d'ailleurs, même, j'ai dû rencontrer l'autorité pour lui dire, bah, écoutez, vous pensez que des personnes d'un certain âge, de ceux qui avaient été responsables dans leur vie, des pères de famille, qui disent j'ai fait la grève de la fin et on pense qu'ils s'amusent. Non, pas ça quand même il a connu sa grève de la faim. Je tiens à préciser avec dignité. Ça, c'est le mot quand même qui m'est revenu, que j'ai vu. Parce qu'en certains moments, j'ai essayé de le dissuader. Je disais, bon, maudit, bon, tu, vous savez, bon, c'est pas une fin en soi. Euh, cette grève de la faim, ça peut entraîner d'autres conséquences. Il m'a fait savoir que non, euh, écoutez, au point où j'en suis, avec tout ce que j'ai souffert, pendant les interrogatoires, avec tout ce que je souffre actuellement, je pense qu'il est quand même temps que ça s'arrête, qu'on se détermine au niveau de la justice. Déjà, avec le fait d'être en prison, le stress est dans la nourriture au niveau de la prison aidant, il y avait le réveil de son ulcère. Et ce réveil s'est exacerbé maintenant avec cette euh, grève de la femme. Il en a souffert.

wallahi bah, nous personnellement moi et ma famille on l'a un peu mal vécu parce qu'on a eu peur euh, parce que comme c'est une époque où le Sénégal c'était un peu trouble on savait pas combien de temps il pouvait rester en prison et surtout que là-bas euh, effectivement il a été torturé donc on avait même peur de perdre notre père. Donc c'est une époque où vraiment on a, beaucoup souffert de, sa position et de sa situation. La traque contre les présumés commanditaires et auteurs de l'assassinat de maître Baba Karsey était sans répit, n'épargnant même pas leurs proches qui vivaient dans la hantise d'une imminente arrestation. 1988 et 1993, deux années repères dans le réchauffement du climat politique et la montée de la violence au Sénégal. Qu'est-ce qui a fait le lit de cette violence inouïe, débouchant sur l'assassinat d'un juge constitutionnel Dès les premières années de l'indépendance, on a eu affaire à des violences politiques. Si on se rappelle bien, euh, disons, la répression qu'il y a eu contre les militants du PAI, la répression qu'il y a eu contre les militants de gauche jusque dans les années 70, c'est des faits qui ont été constants dans l'évolution politique du Sénégal. Entre 1983, euh, où il y a eu une élection présidentielle, et 1988, il y avait euh, à la présidence de la République euh, un homme qu'on appelait Jean Collin, qui était un homme extrêmement puissant, qui était ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et qui avait à sa disposition toutes les polices de ce pays, tous les services de renseignement de ce pays, et qui disposait également des fonds secrets. Donc cet homme euh, s'était juré que le PDS n'arriverait jamais au pouvoir. Et euh, conscient de cela, euh, Maître Abdoulaye Wade a entrepris, donc euh, ayant compris que par la voie des urnes, c'était à peu près impossible d'obtenir cette alternance donc, pour laquelle il se battait, il a entrepris au fond d'organiser les Sénégalais pour qu'ils descendent dans la rue et qu'ils organisent des manifestations. Écoutez, il est clair que Moudissi était extrêmement proche d'Abdoulaye Wade à l'époque. À la tête de certains, des choses de cette nature qui se tramaient dans l'entourage d'Ablaïwad, Maurici ne pouvait pas ne pas être au courant. Vrai ou non, je ne saurais le dire aujourd'hui. D'après Pape Ibrahim avec qui j'ai travaillé, et un cousin de Claire Dorsel, qui a été le guetteur, qui n'a pas été transporté dans le véhicule parce que simplement ils auraient tenu à l'étroit, lui-même Mati qui travaille au conseil régional de Dakar, il son nom dans le livre, je l'oublie, que Moudissi n'en était arrêté pour rien, que c'était un jeu de théâtre que Calidor Sen avait mis en place pour disculper quand il en avait le désir certains et pour accuser d'autres. Ce que j'ai pu vous dire, c'est qu'à la fois, comme dans l'assassinat, comme dans l'après-assassinat, Théodore a été le chef d'orchestre des opérations. Il manipulait à sa guise, même dans une certaine manière, il était le maître d'œuvre de certaines positions éditoriales, non pas en donnant des ordres, mais en diffusant des informations qui, pour un journaliste, étaient naturellement intéressantes de ce point de vue-là. Il l'a fait alors qu'il était en position et il l'a fait quand il y allé en prison. C'est lui qui a, fait, qui a revendiqué l'assassinat au nom de l'armée du peuple, l'armée de salut du peuple, qu'il prétendait diriger avec d'autres camarades, et que les Sénégalais ne tâteraient pas à voir ce qui se ferait par la suite. J'ai été étonné de voir la relation, quand j'ai fait mes enquêtes, entre un trac que moi-même j'ai eu à recevoir des mains de responsables du PDS à l'époque et les propos tels que tenus par Sen dans sa déclaration qui revendiquait l'assassinat. Autrement dit, quelques semaines avant, j'étais en possession d'un trac qui parlait d'une mystérieuse armée de libération du peuple, derrière laquelle seraient même les officiers supérieurs sénégalais à la retraite. À l'époque, c'était une ambiance assez extraordinaire. Bref, toujours est-il qu'il a été accusé par Keldorsel, modifié en l'occurrence, mais finalement, moi j'ai retenu dans mon livre la décision de justice le concernant, c'est-à-dire le fait qu'il n'ait pas été renvoyé devant la chambre d'accusation. Affaire

ba Ablaye wax ma ni ma à 16h daanu annoncé victoire mu jël gouvernement bi ñu toog à 16h sama kër Ségalou waxuma woon kenn ña fa toog ñëpp ëpp noonu 30 personnes yu fa nekk booba jamono waxuma kenn ni Ablaye daan ko jox gouvernement bi. bi ñu toogee ba 16 heures malheureusement on a entendu un autre Noël qui disait que Abdoulaye Wade arrêté nous avec Ousmane Gom. ils sont tués ici. Le meurtre de Baba Sey était intervenu au moment où le Conseil constitutionnel venait d'entériner la réélection du président Abdou Diouf avec 58% des suffrages contre 32% à Maître Abdoulaye Wade. Élection contestée par l'opposition qui réclamait un second tour, le Conseil constitutionnel devait aussi, au moment des faits, se prononcer sur les résultats des élections législatives du 9 mai 1993, également remis en question par l'opposition qui accusait, comme pour le scrutin présidentiel, le Parti socialiste, au pouvoir à l'époque, d'avoir fraudé. Quelques jours après le meurtre du vice-président du Conseil constitutionnel, le succès du Parti socialiste aux élections législatives a été confirmé avec 84 des 120 sièges de députés contre 27 pour le Parti démocratique sénégalais, physiquement, moralement et émotionnellement atteint par ce qu'il considérait comme une injustice contre sa personne, Moudissi en arriva à s'adresser directement au bon Dieu. Un jour, euh, j'étais pas propre dans le caca, dans la pisse. Je riais. Je riais comme ça. Les gens me disaient, ce qui était mes co détenu que je ne connaissais peut-être pas, euh, que je ne connaissais pas du tout, euh, me disaient, mais vous êtes malade ou quoi Il y a un qui mais non, man yalla lay quoi. Il y a ngay nan li di yàlla rek ma ne Je ne ko mais damay rey yàlla parce que li ma dal tey yàlla yàlla moo je def moo ko et j'ai fait deux, deux rakas et je me suis adressé à Dieu. J'ai dit Dieu, ce que tu as, là, ce que tu as fait là, tu l'as fait exprès. Ya tei, nangu Ya ko ma j'ai accepté j'ai accepté parce que c'était là. C'était, c'est Dieu qui avait décidé ça. Je l'ai accepté. Je lui ai dit que yaa tey mais nangu naa ko mënuma jël benn avocat ci àddina bu ma mën a génne fi ma nekk fi ku dul yow yàlla nangu naa ko mais les gens pensaient que j'étais j'étais devenu fou j'ai dit au bon Dieu li ma lay ñaan yow subhanahu wa taala bu ma génne fii ci kaso ñu dégg sama tur man moo Modou Sy bokk naa ci affaire Babacar Sy na ngay def ci xoolu nit yëpp que man Modou Sy man bokkuma ci loolu boo ma ko defee rek y a aucun problème man yow laa ko ñaan yaa ma teg lii seet bu fekkee man bëgg naa la bu fekkee ragal naa la mais man dinaa la woon tey incha allah man ragal naa la yow xam nga yàlla yonte yàlla moom sax xam na que man Modou Sy ma ko sax même si je ñu pas pas au Sénégal mais je suis sens yàlla gërëm ko bu que baax parce que tey amul benn Sénégalais bu mën dit que man suis venu bokk d'Orsène, Pape Ibrahima Diakhaté et Hassan Diop les trois hommes qui ont reconnu avoir ouvert le feu sur la voiture de maître Baba Sèye sont renvoyés devant la cour d'assises. Clé d'Orsène, avait dans un premier temps accusé Maître Ouad d'être le commanditaire du crime avant de se rétracter et de désigner un responsable du Parti socialiste. En tout état de cause, l'assassinat de Maître Babacar qui avait ému et consterné le peuple sénégalais en 1993, était toujours entouré de zones Contre toute attente à l'avènement de l'alternance en 2000, les présumés auteurs de l'assassinat de maître Babacar Sey ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Dans le même temps, la famille du défunt juge sera gratifiée d'une indemnisation conséquente de 200 millions de francs CFA. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, le président Abdoulaye Wade inspira la fameuse loi Aizan qui instituait une amnistie pour tous les auteurs et commanditaires de crimes et délits en relation avec les élections de 1993 à 2004. On n'oubliera jamais. Alors tout ce qui s'est passé par la suite, euh, qu'on ait amnistié les assassins qui avaient été arrêtés, jugés et condamnés, euh, qu'on les ait amnistiés et même qu'on ait pris par la suite une loi pour dire que c'est fait les faits même étaient amnistiés, qu'il ne fallait plus parler de ça dans l'histoire du Sénégal, c'était trahir l'histoire du Sénégal et c'était trahir le Sénégal. Mais en tout état de cause, ça ne peut pas prospérer. Ce qui est sûr, c'est que cette loi scélérate devrait être abrogée. Et en tout cas, nous le demandons aux autorités. Euh, ça ne serait que justice pour mettre Babacar que vraiment cette... Euh, loi qui est une loi euh, vraiment scandaleuse, que cette loi soit vraiment abrogée, est une impérieuse nécessité. Cette loi est une insulte à la démocratie, à l'état de droit et aux droits humains. Donc, cette loi doit être abrogée. Maudissi, un miraculé ayant vécu les affres de la torture dans toute sa laideur et son caractère inhumain et dégradant, un homme profondément croyant, convaincu que nul ne peut échapper à son destin. Vous savez, euh, euh, faire la prison, c'est une, une grande école. C'est une grande école. Et la prison, euh, quelque part, c'est bien de temps en temps. Pourquoi Parce que, surtout quand on n'a rien fait, bien sûr. Moi, j'étais là-bas, je savais que c'était politique. Et que, bon, il n'y avait pas de problème. mais, j'ai prié beaucoup je peux dire que tous les résultats que j'ai eus dans mes prières, pratiquement, j'ai continuellement j'ai J'ai compris beaucoup de choses par la suite, beaucoup de choses j'ai compris. Les seuls regrets de ce combattant infatigable de la lutte pour la démocratie, c'est le lourd tribut que son engagement politique et son militantisme actif ont coûté à sa famille, à son épouse et à ses enfants. J'ai donné de moi-même, j'ai fait le maximum euh, pour que Ablaï arrive au pouvoir. J'ai sacrifié, je me suis sacrifié, non seulement je me suis sacrifié, mais j'ai même sacrifié ma famille. Aujourd'hui, solennellement, je demande pardon à mon épouse en France. Parce que vraiment, je, je me pardonner. J'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Mais je le fais peut-être par conviction. J'ai sacrifié mon ménage pour qu'il y ait un changement profond dans ce pays. À cette épouse-là, hein, vraiment, je lui demande pardon et je demande pardon aussi à mes enfants. Il aurait pu le faire chanter. On l'a torturé, il n'a rien dit. C'est peut-être l'adage de, de, Napoléon qui disait que ceux qui font les révolutions ne sont jamais euh, ceux qui en bénéficient. Bon, c'est peut-être ça. Mais moi, euh, le pédestre historique euh, lui doit même une statue, franchement. Il a souffert, il a été brutalisé et très très très gravement. C'est un secret de Polichinelle qu'à l'époque, il arrivait euh, à Métroide, qui était donc euh, le secrétaire général national du PDS, de traverser des périodes très sombres sur le plan financier. Et c'est Modi qui lui venait en aide. Indépendamment de ça, quand il venait au Sénégal, il allait également au Fouta, auprès de ses parents du Fouta également pour battre campagne. Donc vraiment, il s'est investi corps et âme pour la victoire du PDS. Quand euh, Maître Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir, il, il a surtout récompensé ceux qui le combattaient du temps où il était dans l'opposition. Euh, et vers la fin, d'ailleurs, il n'était entouré que par euh, d'anciens responsables du Parti socialiste. Membre fondateur de l'Alliance pour la République, formation politique du président de la République actuelle, Macky Sall, Moudissi a été au cœur de la bataille historique qui a abouti à la seconde alternance démocratique au Sénégal. Nous avons la liste des membres fondateurs beaucoup pour créer récépissé même semaine bon la la la Macky qui le le Moudissi jël décision ànd Macky Sall Nous créé créer la bokk Nous créer la 21 signataires Nous ko Abdrahman Ndiaye déposé pour président Macky am récépissé même semaine euh, le Macky le mot déjà installé dugg bir affaire kon nak mom APR ci fondé la boc ci démarré mbaɗa antir bamnaya kanko moodi o ari o arde ɗiɗo waɗɓe garde maɓɓe o e siko goɗɗo ɓe gardi o anda ɗo kettumi o anda ɗo gonni ɓen ɗo ko nande i moodi si jaggaɗo e pilisio ene wawi umma toon ara gam ka darmomi e ha ɓoy tan paane makko min poti nde fandinomi noon o wimi cas on sa suusa darde Ususi dootono o وفي o دو woyo tan min e makko fof min pay leydi min mbeeti ɗon wayde min mbeeti ɗon wayde ha min tampi o wiyata kaw makko yere won mbimi nana eh, ndar gardi momi haatu ɗo on antiri ɗo o yecco hippe o no woyi ho tampi omo wonde pulsion o mo wonde goɗɗo o eyi eh. pulsion o wiimo siimoɗi waktu o heedi aran kadi ha koote ko dokkanɗen gasi wimoɗi wiyay oho nenam ka kawa muñami yiya ya yide sa mm. a ɓurtini hay so ɗo goni do hitande a mm. wonta do de koye ko gonga min de kondide min jatini paye powa mm. vraiment je me réjouis aujourd'hui d'être parmi les miens le village Sintian Sidjou Garba qui m'a vu naître ce beau village بسم الله الرحمن الرحيم ياسين la vie de Modici n'a pas été un long fleuve tranquille, même si son enfance a été bercée d'affection et de bonheur. Comme dans la tradition africaine, il est de bon ton que le sage prodigue des conseils à ses petits-enfants en vue de leur transmettre les valeurs cardinales ancestrales. man paa mi mami mballu sénégal mami darano e sénégal no mbaɗirɗon onon ɗe fof ha jaariɗon no mbaɗɗa minen ni mami mballu sénégal kamɓe fof aduna o fof mo mballahoɓe fof sallah jaaɓi mami mballuɓe ha yeeso allah sallah jaaɓi sonn bi mu sonn ak liñ ko toroxal ci àddina dañu ko dundee woon métti métti rek képp ku ne kii xaritam la wala mbokkam la métti la loolu. xanaa métit lu ko métitlu ndax boobu nañoo teg ci dërëm loo xam ne defu ko ba maatam ñun dëkkaale yeeg waa dëkk bi yëpp métitlu nañ ko naqarlu nañ ko te biñ ko tëjee it mérité wu ko woon. dundin bu métti suñuy ne suñuy commencé tamit événement Modou yi dañuy rappeler wala 1988 88 tamit Sénégal amoon na problème. élection 88 modi ci la bokone yalla def na sax rëcc mais il yi defal nañu luñu pour sàkkal ko ngir faat ko def ko ci on l'a torturé on y a tout fait il y a de ces choses qu'on ne peut pas dire brave qu'il était il n'avait peur de rien mais tout ça vraiment on ne l'a pas payé son prix quand le gouvernement est venu on a pris tout le monde mais on n'a pas touché maudit, Il n'a rien dit. Il s'est tué. À l'âge de 13 ans, le jeune tout couleur se retrouve en pays serrère, à Joal, le royaume d'enfance du président poète Léopold Sédar Senghor. Son père, un riche commerçant, s'y était établi. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد Ça Ça bien Et Quand je viens ici, ça me rappelle euh, euh, les années 56 quand mon père est venu pour la première fois à Fayou. C'était un marché ambulant de tissu. On appelle ça le, le euh, sama papa lu mu dugg ci politique dafa laa toujours moo di bàyyil politique teel si sa liggéey mais nag moom lu lu mu gëmoon la lu mu bëggoon la danga li ma la bon terewul boobu époque dafa doon bàyyi ay soxlam sa en France bàyyi liggéeyam cadre bu mag la foon dafa doon bàyyi liggéeyam ñëw fu politique fi dellu donc bon mais ñun suñu wàllu bopp sax ñun demoon nañ ba ci biir ñun sa politique sax bëgguñoon mu politique mais nag euh, li mu bëggoon la te aussi dafa gëmoon maître Watt ko gëmoon lool lool lool lool ba nga xamee ne eh, vraiment que amul lu mu deful Maître Wade ci àddina ñu téye ko fi lu ne ñu def ko fi metti ñu te li ñu gën a metti nag mooy fañ ko ko defee ñu waroon koo wallu te ña ko waroon a wallu wallu wuñ ko ah loolu metti woon nañu metti woon na famille bi torop metti woon nañu torop te amuñu fenn fi ko mën a waxee fenn fi ko mën a jooyee lu dul wékk ko rek ci suñu borom il a été forgé dans une culture poulard musulmane pure il a été encore forgé dans une culture sérieuse purement traditionnelle. Or, ces deux cultures-là, c'est des cultures qui ne sont pas des cultures qui fomentent des assassinats. Les coups fourrés, ces deux cultures-là ne, ne le connaissent pas. Donc, nous, on était sûrs et certains qu'il était hors de tout ça, mais comme c'était dans le mouvement politique, il a été sacrifié. Et le résultat est qu'après ces événements-là, quand Maître de fut à la tête du, Sénégal, il n'a pas été récompensé, il n'a pas été payé en retour. Nous avons le même père et la même mère. C'est comme si c'était cela, entre Modessi et moi. On a grandi ensemble, maman et sa maman, sa maman et ma maman. On a tout fait à Joël Fayou. tout. Tout ce que vous pouvez imaginer, on l'a fait à Joël Faye. Entre lui et moi, il n'y a pas de problème. On a grandi dans cette maison comme on a grandi dans sa maison à lui, avec sa maman et ses frères. Sur le plan politique, il a toujours refusé de venir militer ici à Joal Faye. Parce que moi, j'étais du PS et lui, il était PDS. Donc, il ne voulait pas qu'ensemble, qu'on se trahisse Joal Faye. Nommé président du conseil d'administration de la SONES, il est conscient des enjeux et de l'importance de la politique hydraulique dans le développement économique et social du Sénégal au Sénégal qui parle de l'eau, parle de la vie. Et c'est d'ailleurs dans le cadre du programme yonu Yokouté que le président de la République a donné des instructions très précises dans le secteur de l'hydraulique urbaine et rurale. Euh, un programme d'extension en eau est en cours dans tout le pays. Dans cette nouvelle aventure professionnelle au niveau du secteur stratégique de l'eau, Moudissi peut compter sur une équipe enchantée de collaborer avec cette icône de la vie politique du Sénégal. Ce qu'on peut en apprendre, c'est que à une époque déjà, faire un combat pareil contre le régime socialiste qui était tout puissant, il fallait être extrêmement courageux pour le faire. Et le président Moudissi, en le faisant euh, auprès du président de l'époque, euh, à l'intérieur du Parti démocratique sénégalais, avait risqué sa vie. Nous, ce que nous en apprenons, c'est qu'il faut être un homme de conviction il faut être un homme de valeur pour pouvoir mener certains combats. Monsieur Modici, président du conseil d'administration de la SONES, je sais que c'est un homme d'une très grande humilité. Euh, il a le sens de l'écoute, il est très courtois et il a une grande admiration pour le président de la République. Avec lui, nous allons développer des relations de confiance. Nous avons opté pour une approche participative, partagée, concertée, ensemble, nous prendrons les bonnes décisions. À Matam, son fief politique du Fouta, comme à Tcharoy, sa base affective militante à Dakar, les militants reconnaissent son leadership et sa profonde conviction en cheminant à ses côtés pour le triomphe des idées qui lui ont valu tant de souffrances. n'a pas besoin de sortir de technique pour savoir qui a tué Babacar Ok Mais ce qui est important, moi, euh, je ne connais pas les autres, mais moi, ma, mon de conviction, et c'est la conviction des juges et la conviction de tous les Sénégalais, ils savent que moi, je n'ai jamais été mêlé dans cette affaire. Je suis un homme politique et j'ai lutté politiquement pour vraiment défendre les intérêts de mon secrétaire général Ablaïwad, pour défendre les intérêts du PDS. Et le PDS prend le pouvoir. Ils oublient des hommes comme moi. Et si j'étais un lâche, cela ne se passerait jamais comme ça je suis pas un maître parce que je crois en Dieu moi lu amuti amul ci moom mën naa ko am ci keneen man loolu laa gëmoon te léegi yàlla def na ko alhamdulilah rabbil alamin Macky Sall maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm maa koy sant di ko parce que moom moo tàmpanekaat nit moom ak Harouna Dia bu ma nekkaatee nit ñoom ñoom ñoo tàmpanekaat nit comprenez j'ai souffert dans ma vie jusque dans mon sang dans mon dans mon cœur j'ai j'ai souffert vous comprenez bu ma nekkaatee nit ñoom ñoo ma defaat ni gën a yàlla yonent je les remercie même vous fekkee yem fi moi je suis très heureux de de voir que bon, ñi qui ki nga xam ne ki xam na man maay kan jox ma suma gëdd yërë ma di je ne le fais pas du larbinisme c'est une c'est une réalité voilà arouja moi, moo ma génn ci moo génn ci dans mes souffrances je vous dis comme un chiffon moo ma dimbale waaw